n'est par ces à voilà. voilà. Comment vous avez, vous avez vécu ça Vous avez été informé Ça, ça c'est même pas une démolition, mais c'est un assassinat. Vous trouvez cela normal Ma maison, que Macky Sall a demandé à la police et à la gendarmerie de le démolir, alors que j'ai payé la supprime, les papiers sont là, j'ai payé toutes sortes de, de, redevance. Parce que je suis un opposant, je me suis toujours donné pour le peuple. Et je me bats pour la libération de ce régime. J'étais malade. C'est à la dernière minute que j'ai été informé que ma maison est en train d'être démolie. D'être démolie. Li, fait ma fi à la police et à la gendarmerie ça c'est de l'assassinat c'est un acte ignoble ça c'est méchant et malhonnête Macky n'a pas été mis à la tête de ce pays pour qu'il tue les gens, pour qu'il les asphyxie. Ça, c'est un acte criminel de sa part. Parce que nous avons eu une famille. Nous avons des enfants. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons, toutes nos économies, nous avons fait pour construire des maisons, pour que nos familles soient à l'abri. Vous avez vu ce qu'ils ont payé aujourd'hui. Après Bousso, c'est Mohamed Massali. Demain, à qui son tour Moi, je me donnerai toute nuit et jour pour la libération de ce peuple et il quittera ce pouvoir. Vous pensez cela normal Combien de millions aujourd'hui ont été cachés Je n'ai que mes yeux aujourd'hui pour verser des larmes. Vous trouvez cela normal parce que j'ai mis, mis sur place avec d'autres amis la nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est ce que Macky Sall nous paye. Il est en train de nous associer. Il est en train de nous assassiner. Il est en train de nous tuer. Vous trouvez cela normal Ça Et vous n'allez pas l'accepter Nous ne l'accepterons pas. Puisqu'il n'y a pas de justice dans ce pays, et je sais que si je porte plainte, je perdrai mon procès. Nous avons tous des papiers. Et vous trouvez cela normal Ça, ça c'est un acte criminel que nous ne méritons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous ne sommes pas des Maliens, ni des Namibiens, ni des Mauritaniens. Comment comptez-vous mener le combat Mais j'en appelle au peuple. Il est temps à ce que les gens résistent. Il est temps. Parce que nous ne devons plus accepter qu'on nous tue. Que Macky Sall utilise la police et la gendarmerie pour nous tuer. Ça, c'est un acte criminel. C'est méchant même. merci président Awolof euh, bi. en fan fay sumay téléphone bi ma yeewoo lañ ma aviser ñi ma euh, joxoon kër gi ñoo ma woo téléphone ne ma toj nañu sa kër. fii si Cité Soprim fii Cité Soprim alors que j'ai payé toutes sortes de redevance fay naa ko tey nguuru Macky Sall askan bi yaakaaroo leen fan leen ñuy asphyxier ni ñi di rey doomu aadama yi bi may ñëw fii j'ai appelé le premier ministre jotuma ko juré envoyé un message ça c'est un acte criminel que les Sénégalais ne méritent pas. bim buñ ko defee may mën a bu soo man lañ ko def ëllëg kan la koy Macky Sall di def vous pensez que sénégalais war nañu croiser les bras di seetaan acte criminels yi des actes ignobles ça c' est de la méchanceté ça c' est un acte criminel lii assassinat la kenn musuma gis sama rongoñ tuuru mais Macky Sall tooñ na ma ba si kanamu yàlla ay ñooñoom tooñ nañ ma parce que xam nañ ne yor naa ay kayit man ñaanuma yàlla def mukk loo xam ne du saafana ak li askan bi di laaj mais lii assassinat la lii acte criminel la parce que man ak samay njooñ def nañu ab mouvement nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall tey mu jël di noot opposants yi di leen faagaagal ñii bu leen mënul tëj ñu ngi leen di rey wala ñuy tabax xam nga metti na te nga liggéey ba fii tabax sa kër ba mu pare jokkoo ay nit ñu dëkk si. ñu ñëw tey indi ay bulldozer indi seen i police ak seen i gendarmerie di toj suñuy kër fii si Thiès xam nga ne li metti na kër gii sama kër la maa ko moom bu ma fi fekkoon dinañu jël sama bakkan barki alxuraanu karim danañ ma rey ànd ak bâtiment bi toj ko mais nan la ñu mënee toj ay kër sant sans préavis ni rien amul préavis joxuñu nit ñi sommation joxuñu nit ñi dara li jaay doole la parce que PDS laa bokk parce que damay xeexal suma askan parce que damay xeexal askanu Sénégal. mais lii métti na lii parce que du ma leen yóbbu si yoon. mais yàlla dina ma atte ak Macky Sall parce que xam naa ne dëkk bi yoon amu fi justice amu fi pare naa nag pour ñu tëj ma kaso. yoon amu fi dara amu fi. fii y a pas de justice parce que lii du yoon. mënuñoo toj këru jàmbur joxuñu ko préavis joxuñu ko dara lii c'est un acte criminel. ça c'est de l'assassinat ñun sénégalais yi ñu nii duñu ay mauritanien du ñu ay malien du ay camerounais mais nous sommes des sénégalais li xew fii métti na sénégalais yi nañu jóg jàkkaaroog Macky Sall jëlee ko fi parce que c'est lii acte criminel la moom ak ay gouvernement ak ay ñoom li li lii sax moo gën lii ñun mérité wuñu lii ñun sénégalais yi on ne sama ronga ñit mosu ko gis mais tey dama am naqar soo bàyyi génn àdduna jooyu mais lii dafa metti te du man rek lañ ko def man ak ay njaboot lañ ko def lii c'est pas sérieux sa ça c'est euh, méchant c'est de la te lii vous êtes concerné par ces démolitions à voilà, voilà. Comment vous avez, vous avez vécu ça Vous avez été informé Ça, c'est même pas une démolition, mais c'est un assassinat. Vous trouvez cela normal Ma maison, que Macky Sall a demandé à la police et à la gendarmerie de le démolir, alors que j'ai payé la supprime, les papiers sont là, j'ai payé toutes sortes de revenants, euh, euh, euh, Parce que je suis un opposant. Je me suis toujours donné pour le peuple. Et je me bats pour la libération de ce régime. J'étais malade. C'est à la dernière minute que j'ai été informé que ma maison est en train d'être démolie. D'être dé démolie. Li, si je fais compte, je vais à la police et à la gendarmerie. Ça, c'est de l'assassinat. C'est un acte ignoble, sachez, méchant et malhonnête. Macky n'a pas été mis à la tête de ce pays pour qu'il tue les gens, pour qu'il les asphyxie. Ça, c'est un acte criminel de sa part. Parce que nous avons eu une famille. Nous avons des enfants. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons, toutes nos économies, nous avons fait pour construire des maisons, pour commencer nos familles soyez à l'abri. Vous avez vu ce que nous ont payé aujourd'hui. Après Maïmono Bousso, c'est Mohamed Massali. Demain, à qui son tour Moi, je me donnerai toute nuit et jour pour la libération de ce peuple et il quittera ce pouvoir. Vous pensez cela normal Combien de millions aujourd'hui ont été cachés Je n'ai que mes yeux aujourd'hui pour verser des larmes. Vous trouvez cela normal Parce que j'ai mis, une, mis sur place avec d'autres amis, la nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est ce que Macky Sall nous paye. Il est en train de nous asphyxier, il est en train de nous assassiner, il est en train de nous tuer. Vous trouvez cela normal Ça Et vous n'allez pas l'accepter Nous ne l'accepterons pas. Puisqu'il n'y a pas de justice dans ce pays, et je sais que si je porte plainte, je perdrai mon procès. Nous avons tous des papiers. Et vous trouvez cela normal Ça, ça c'est un acte criminel que nous ne méritons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous ne sommes pas des Maliens, ni des Namibiens, ni des Mauritaniens. Comment comptez-vous mener le combat Mais j'en appelle au peuple. Il est temps à ce que les gens résistent. Il est temps. Parce que nous ne devons plus accepter qu'on nous tue. Que Macky Sall utilise la police et la gendarmerie pour nous tuer. Ça, c'est un acte criminel. méchant même.

askan bi yaakaaroo len fan len ñuy asphyxier nit ñi di rey doomu aadama yi bi may ñëw fii j'ai appelé le premier ministre jotuma ko juré envoyé un message ça c'est un acte criminel que les Sénégalais ne méritent pas bim buñ ko defé may mëna bu soo man lañ ko def ëllëg kan la koy Macky Sall di def vous pensez que sénégalais war nañu croiser bras di sétane actes criminels yi des actes ignobles ça c'est de la méchanceté ça c'est un acte criminel lii assassinat la kenn musuma gis sama rongoñ tuuru mais Macky Sall tooñ na ma ba si kanamu yàlla ay ñooñoom tooñ nañ ma parce xam nañ na yor naa ay kayit man ñaanuma yàlla def mukk loo xam ne du saafana ak li askan bi laaj mais lii assassinat la lii acte criminel la parce que ma ak samay njooñ def nañu ab mouvement nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall mu jël di noot opposants di leen faagaagal ñii bu leen mënul tëj ñu ngi leen di wax la ñuy tabax xam nga metti na te nga liggéey ba fi tabax sa kër ba mu pare jokkoo ay nit ñu dëkk si ñu ñëw tey indi ay bulldozer indi seen i police ak seen i gendarmerie di toj suñuy kër fii si Thiès xam nga ne li metti na kër gii sama kër la maa ko moom bu ma fi fekkoon dinañu jël sama bakkan barki alxuraanu karim danañ ma rey ànd ak bâtiment bi toj ko mais nan la ñu mënee toj ay kër sans préavis ni rien amul préavis joxuñu nit ñi sommation joxuñu nit ñi dara lii jaay doole la parce que PDS laa bokk parce que damay xeexal suma askan parce que damay xeexal askanu Sénégal mais lii metti na lii parce que du ma leen yóbbu si yoon mais yàlla dina ma atte ak Macky Sall parce que xam naa ne dëkk bi yoon amu fi justice amu fi pare naa nag pour ñu tëj ma kaso yoon amu fi dara amu fi fii y a pas de justice dans ce pays parce que lii du yoon mënuñoo toj këru jàmbur joxuñu ko préavis ko dara lii c'est un acte criminel ça c'est de l'assassinat ñun sénégalais yi mérité wuñu nii du ñu ay mauritanien du ñu ay malien du ñu ay camerounais mais nous sommes des sénégalais li xew fii métti na sénégalais yi nañu jóg jàkkaaroog Macky Sall jëlee ko fi parce que c'est lii acte criminel la moom ak ay gouvernement am ay ñooyam lii lii lii sax moo gën lii ñun mérité wuñu lii ñun sénégalais yi on ne sama ronga ñit mosu ko gis mais tey dama am naqar soo bàyyi génn àdduna ma mais lii dafa metti te du man rek lañ ko def man ak ay njaboot lañ ko def lii c'est pas sérieux ça ça c'est euh, méchant c'est de la te lii vous êtes concerné par ces démolitions à voilà. voilà. Comment vous avez, vous avez vécu ça Vous avez été informé Ça, c'est même pas une démolition, mais c'est un assassinat. Vous trouvez cela normal Ma maison, que Macky Sall a demandé à la police et à la gendarmerie de le démolir, alors que j'ai payé la supprime, les papiers sont là, j'ai payé toutes sortes de, redevances. Euh, euh, euh, Parce que je suis un opposant. Je me suis toujours donné pour le peuple. Et je me bats pour la libération de ce régime. J'étais malade. C'est à la dernière minute que j'ai été informé que ma maison est en train d'être démolie. D'être démolie. si je fais compte, je à la police et à la gendarmerie. Ça, c'est de l'assassinat. C'est un acte ignoble, sachez, méchant et malhonnête. Macky n'a pas été mis à la tête de ce pays pour qu'il tue les gens, pour qu'il les asphyxie. Ça, c'est un acte criminel de sa part. Parce que nous avons eu une famille. Nous avons des enfants. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons, toutes nos économies, nous avons fait pour construire des maisons, pour commencer nos familles soyez à l'abri. Vous avez vu ce que nous ont payé aujourd'hui. Après Maïmoun Bousso, c'est Mohamed Massali. Demain, à qui son tour Moi, je me donnerai toute nuit et jour pour la libération de ce peuple et il quittera ce pouvoir. Vous pensez cela normal Combien de millions aujourd'hui ont été gâchés Je n'ai que mes yeux aujourd'hui pour verser des larmes. Vous trouvez cela normal Parce que j'ai mis, une, mis sur place avec d'autres amis la nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est ce que Macky Sall nous paye. Il est en train de nous associer, il est en train de nous assassiner, il est en train de nous tuer. Vous trouvez cela normal Ça Et vous n'allez pas l'accepter Nous ne l'accepterons pas. Puisqu'il n'y a pas de justice dans ce pays, et je sais que si je porte plainte, je perdrai mon procès. Nous avons tous des papiers. Et vous trouvez cela normal Ça, ça c'est un acte criminel que nous ne méritons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous ne sommes pas des Maliens, ni des Namibiens, ni des Mauritaniens. Comment comptez-vous mener le combat Mais j'en appelle au peuple. Il est temps à ce que les gens résistent. Il est temps. Parce que nous ne devons plus accepter qu'on nous tue. Que Macky Sall utilise la police et la gendarmerie pour nous tuer. Ça, c'est un acte criminel. C'est méchant même.

askan bi yakaro len fan leen ñuy asphyxier nit ñi di rey doomu aadama yi bi may j'ai appelé le premier ministre jotuma ko je lui envoyé un message ça c'est un acte criminel que les Sénégalais ne méritent pas dim buñ ko defé may mën bu soo man lañ ko def kan la koy Macky sal du def vous pensez que sénégalais war nañu croiser les bras di acte criminel. des actes ignobles ça c'est de la méchanceté ça c'est un acte criminel lii assassinat la kenn musuma gis sama rongoñ tuuru mais Macky Sall tooñ na ma ba si kanamu yàlla ay ñooñoom tooñ nañ ma parce que xam nañ na yor ay kayit man ñaanu yàlla def mukk loo xam ne du saafana ak li askan bi di laaj mais lii assassinat la lii acte criminel la parce que man ak samay njooñ def nañu ab mouvement nouvelle alliance pour la départ de Macky Sall tey mu jël di noot opposants yi di leen faagaagal ñii bu leen mënul tëj ñu ngi leen di rey wala ñuy tabax xam nga metti na te nga liggéey ba fii tabax sa kër ba mu pare joxe ay nit ñu dëkk si ñu ñëw te indi ay bulldozer indi seen i police ak seen i gendarmerie di toj suñuy kër fii si Thiès xam nga ne li metti na kër gi sama kër la maa ko moom bu ma fi fekkoon dinañu jël sama bakkan barki alxuraanu karim danañ ma rey ànd ak bâtiment bi toj ko mais nan la ñu mënee toj ay kër sant sans préavis ni rien amul préavis joxuñu nit ñi sommation joxuñu nit ñi dara lii jaay doole la parce que PDS la bokk parce que damay xeexal suma askan parce que damay xeexal askanu Sénégal mais lii metti na lii parce que du ma leen si yoon mais yàlla dina ma atte ak Macky parce que xam naa ne dëkk bi yoon amu fi justice amu fi pare naa nag pour ñu tëj ma kaso yoon amu fi dara amu fi fii y a pas de justice dans ce pays parce que lii du yoon mënuñoo toj këru jàmbur joxuñu ko préavis joxuñu ko dara lii c'est un acte ça c'est de l'assassinat ñun sénégalais yi ñu nii du ñu ay mauritanien du ñu ay malien du ay camerounais mais nous sommes des sénégalais li xew fii métti na sénégalais yi nañu jóg jàkkaaroog Macky Sall jëlee ko fi parce que c'est lii ak criminel la moom ak ay gouvernement am ak ay ñooyam lii lii lii sax moo gën lii ñun mérité wuñu lii ñun sénégalais yi on ne sama ronga ñit mosu gis mais tey dama am naqar soo bàyyi génn àdduna jooyu mais lii dafa metti te du man rek ko def man ak ay njaboot lañ ko def lii c'est pas sérieux sa ça c'est euh, méchant c'est de la malhonnêteté lii